le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou Bonsoir à tous, euh, auditeurs et auditrices du Forum du Studio Kalangu, l'émission qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. L'utilisation des langues nationales dans l'enseignement primaire au Niger atouts, tout obstacle et perspectives, c'est le thème du forum d'aujourd'hui. Quels sont les principaux atouts de l'utilisation des langues nationales dans l'enseignement primaire Quels sont les obstacles à l'utilisation de ces langues nationales Comment capitaliser et améliorer davantage l'efficacité de l'enseignement par les langues nationales. Pour répondre à ces questions et bien d'autres, nous avons le plaisir de recevoir Garba Nahanti, chef de division curricula à la direction des curricula et de la promotion des langues nationales, et Mme euh, Madame Kimba Juma, membre de l'association des parents d'élèves et d'étudiants, ici présente avec nous, et à la présentation Alassane Kouzi Mahmoud. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme je l'ai annoncé au début, ce soir, nous parlons de l'utilisation des langues nationales dans l'enseignement primaire au Niger atouts, obstacles et perspectives. Au Niger, l'introduction des langues nationales dans l'enseignement remonte aux années 1970 avec l'ouverture de la première école bilingue Hausa-Français en 1972 à Zender. L'expérimentation s'est poursuivie depuis lors, non sans difficulté. De 42 écoles, dans la décennie 1990, le nombre d'écoles bilingues est passé à 599 à partir de 2009. Ce soir, nous allons faire le point sur l'évolution de l'utilisation des langues nationales dans l'enseignement de l'éducation de base 1. Pour commencer, je demande à chacun de nos invités de se présenter et de nous présenter brièvement le service représenté. Euh, je commence par ma droite, euh, Madame Kimba Juma, membre de l'association des parents d'élèves et d'étudiants. Moi, c'est Madame Kimba Juma. Je suis la représentante de euh, l'Association nationale des parents d'élèves et étudiants. L'association des parents d'élèves et d'étudiants, qu'est-ce que c'est et quelle est sa mission principale en ce qui concerne euh, l'éducation, nous sommes des sapeurs-pompiers, si nous pouvons le dire comme ça. Nous sommes des partenaires incontournables de l'éducation de nos enfants. Voilà, nous passons la parole à Garba Nahanti. Donc, je m'appelle Nahanti Garba, comme vous l'avez dit hmm. tout à l'heure. Je suis au ministère de l'enseignement primaire, de l'administration de la promotion de la langue nationale et de l'éducation civique, plus précisément à la direction des curricula et de la promotion de la langue nationale, où je suis chef de division curricula, recherche, action et innovation pédagogique. Et cette direction, donc, a en charge aujourd'hui la conduite de la réforme en termes clairs. Elle a en charge aujourd'hui la mise en œuvre de l'enseignement de nos langues nationales à travers ce pays. Et comme vous l'avez dit, nous allons voir l'évolution, où est-ce que nous en sommes par rapport aujourd'hui à la question de l'enseignement des langues nationales dans le système de l'éducation. Alors, avant d'en arriver, quel est l'objectif que vise l'État du Niger avec l'introduction des langues nationales dans l'enseignement Merci beaucoup. Donc, euh, en réalité, l'objectif ici poursuivi par le ministère, c'est quand même de rehausser, si vous voulez, le niveau de nos élèves. Toutes les évaluations conduites, en tout cas jusqu'à là ont démontré que notre système éducatif est défaillant. Les parents d'élèves qui sont là, nous les enseignants, les acteurs, tout le monde se plaint de la baisse du niveau des élèves. Comment faire pour y remédier Entre autres solutions, peut-être, nous avons dit, c'est d'aller commencer à enseigner dans nos langues nationales, ce qui permet à l'enfant au moins d'asseoir les compétences de base euh, très tôt, savoir lire et écrire parce que c'est ça le fondamental compter dans sa langue nationale, ensuite plus tard lui enseigner le français, l'arabe et tout ce qui s'ensuit. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les principaux atouts de l'utilisation de nos langues nationales. Euh, merci beaucoup. Bon, s'il faut parler des atouts des langues nationales, comme je vous l'ai dit, toutes les études, en tout cas jusqu'à la de 74, comme vous l'avez dit dans la présentation, en réalité, et là aussi il faut un peu rectifier, euh, l'enseignement des langues nationales a commencé officiellement en 73, mm. parce qu'en 72, l'année dont vous faites euh, allusion, c'était euh, les travaux de la Commission nationale de, le de, de l'enseignement. Et c'est cette commission-là, entre autres maintenant recommandations, elle a recommandé effectivement d'aller vers l'enseignement des langues nationales pour rompre avec le, système colonial et l'enseignement en français. Mais officiellement, elle a débuté en 73 avec euh, l'école annexe de Zander, donc comme vous l'avez dit, en français et, en, en, Hausa. Les atouts, c'est que à langue nationale, mm. la compréhension est immédiate. Entre vous, l'enseignant, et l'enfant, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de mur. Vous parlez la langue qu'elle parle à la maison, donc, de facto, la compréhension, est immédiate. Deuxièmement, il y a la participation. Vous n'allez pas rentrer dans une classe où on enseigne la langue maternelle à l'enfant et la comparer à une classe traditionnelle, c'est-à-dire où, le français, où les enfants sont deux fois figés, ils sont là en train de regarder les murs. Bref, il y a une sorte de cassure à ce niveau parce que entre la langue qu'on parle et l'enfant, il y a une, il y a un mur l'enfant ne comprend pas. Et du reste, deux fois, peut-être même l'enseignante qui en parle quand vous lui dites de décortiquer ce, ce, ce, ce langage-là, elle a des difficultés. Donc, ça, c'est le deuxième aspect. Le troisième aspect, hmm. c'est la maîtrise du contenu. cest à hmm. l'enfant apprend plus vite dans sa langue que dans une langue d'autrui. Et hmm. quand vous faites un peu, vous-même un peu le trois à travers le monde, il n'y a pas aujourd'hui, à travers les nations développées, une seule nation qui enseigne ses enfants dans une langue d'autrui. Vous prenez la Chine, vous prenez l'Inde, vous prenez l'Amérique, vous prenez... Bref, il n'y a pas une nation aujourd'hui digne de son riche ou développé qui enseigne ses enfants dans la langue d'autrui. Prenez nos voisins, les Maghreb. Ils enseignent leurs enfants en arabe. Mais c'est pas autant qu'ils ne font pas le français, ou l'anglais ou je ne sais pas quelle autre langue ou le berbère tous. Mm. Mais la langue de l'enfant, on pense que à l'enseignant, à l'éducant, dans sa langue, on lui donne toutes les chances de réussir plus tard dans sa scolarité. Bien. Nous donnons la parole à Madame Kimba, Juma, membre euh, de l'Association des parents d'élèves et d'étudiants. L'utilisation, en tout cas, des langues nationales a des atouts non négligeables. Les parents d'élèves sont bien conscients de cela Comme vous avez dit, l'enseignement des langues dans les écoles, il a des atouts. L'enfant apprend vite dans sa langue. Vous savez, de réforme en réforme d'abord. C'est très bien. Nous cherchons un changement, une évolution. Vous avez parlé tout à l'heure, ça a commencé depuis 1973. Mais nous, ce que nous avons voulu, comme c'est nos enfants, à nos enfants qu'on va enseigner la langue là, il faut nous associer pleinement. Parce que, à ma connaissance, il y a eu une insuffisance de sensibilisation auprès des parents. Je le dis pourquoi. Puisque moi, je suis une responsable de COGES dans une école c'est le comité de gestion des, établissements, scolaires. Oui. Voilà, on a eu à rencontrer pas mal de problèmes mm. suite à l'enseignement de ces langues dans les écoles. Pourquoi Parce que beaucoup de parents connaissent l'utilité de cet enseignement-là. Qu'est-ce qu'ils pensent C'est quoi les reproches que, ces parents font Parce qu'on a eu à nous interpeller beaucoup. Par exemple, quand vous allez prendre une même cours de l'école, vous pouvez avoir deux écoles. L'autre école, c'est là où on fait l'expérimentation là. L'autre, c'est le français, mm. le CI là. En début d'année, il y avait des parents de l'autre côté là où on fait, on dispensait l'enseignement bilingue, qui ont manifesté un mécontentement. Chacun vient me dire que ah moi je vais transférer mon enfant là où on fait le français. Vous voyez, il y a une incompréhension des choses. Parce qu'ils pensent que. Euh, ils pensent que y a leurs enfants ne vont pas évoluer. Et pour eux, ils ont dans leur tête que l'enfant part à l'école pour apprendre le français. Alors que c'est pas ça. S'il y avait eu une approche avec ses parents, suite à la réforme là, peut-être beaucoup comprendront l'utilité de cet enseignement-là. Donc, en gros, vous, vous nous dites là que c'est une réforme qui est venue s'implanter sans que les acteurs clés, soient associés, notamment les parents d'élèves. Comme, par exemple, a fait l'handicap international. On hmm. le remercie beaucoup du passage. Parce qu'il y avait eu des sensibilisations avec les parents pour qu'on amène les enfants ah. handicapés à l'école. Il a fait ça avec les parents. Ça a bien passé. Mm. Mais avec l'enseignement bilingue, là, vraiment, c'est tombé comme ça. L'enfant, il vient, il dit, ah, moi, on m'apprend seulement le Hausa, le Jarma. Et le parent, il dit, ah, pourquoi la maîtresse ne connaît rien donc Elle ne fait que vous parler du Hausa. Il y a un parent qui disait que moi, si c'est le Hausa là, je vais à la maison, je suis Et aussi, vous avez parlé de manque de sensibilisation. Voilà, c'est ça qui a manqué. Bien, nous allons, nous allons poser. Mais ça, c'est très utile. Bien. L'enfant apprend vite dans sa langue. Dans sa langue. Nous allons poser la question à Garba chef division curricula à la direction des curricula et de la promotion de langue nationale. Est-ce que ces, ces, réformes, en tout cas, d'abord l'introduction des langues nationales dans l'enseignement, on a vu en tout cas qui a débuté il y a plus de deux décennies, euh, au Niger. Euh, et il y a eu à travers le temps plusieurs réformes. Est-ce que ces réformes à un moment donné, ont exclu des acteurs clés, ont négligé la sensibilisation autour de, cette réforme C'est vrai, quand Madame dit qu'il y a un manque de sensibilisation, je ne dis pas non, mais je ne lui donne pas encore totalement euh, satisfaction. Ce n'est pas comme ça venu au pif. On a passé au crible notre système éducatif. Quelles sont ses failles Quels sont ses atouts Et comment l'améliorer et pour l'améliorer, nous sommes partis en région. Nous avons organisé au niveau de chaque région ce que nous appelons des forats. C'est vrai, peut-être en ce temps, madame n'est pas dans les structures aujourd'hui qu'elle représente ici, mais nous avons organisé des forats où nous avons invité les principaux acteurs, dont, en premier chef, comme elle a dit, les parents d'élèves. Mhm. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, vous, vous pensez, un, des programmes acteurs de l'éducation que nous sommes en train de mettre en œuvre mhm. S'il faut l'améliorer selon vous, qu'est-ce que vous voulez demain voir Donc, nous avons organisé ces forats-là au niveau de toutes les régions. Et arrivé à Niamey, nous avons organisé cette fois-ci un atelier national de validation. Ce que nous avons recueilli comme suggestion à Zander, à Agadez, à Tilaberi, un peu partout, donc les huit régions réunies, nous sommes retrouvés à Niamey. Ça, je te parle de 2004. Mhm. On a fait donc un, forum national cette fois-ci où nous avons balisé donc le terrain. Et du point de vue pratique, nous avons ressorti ce que nous appelons des situations de vie, des situations d'apprentissage qui aujourd'hui unanimement sont acceptées par l'ensemble des Nigériens. Donc c'est pour dire que mm. les parents, dès au début, étaient impliqués. Mais on ne peut pas rencontrer chaque chef de famille, c'est difficile. Et, mais, quand même, ils sont impliqués dans la réforme. Et est-ce que vous reconnaissez aujourd'hui quand même que... Euh, mais est-ce qu'après la réforme, des activités, des campagnes de sensibilisation énormes ont été déployées à travers les différents canaux euh, personnellement, appropriés En je te parle de 2017. J'ai conduit personnellement la mission de sensibilisation au niveau de la région de Tawa. D'abord, au niveau de la région, où nous avons invité les chefs traditionnels, les leaders religieux, les parents d'élèves, les structures féminines, bref, au niveau des régions. Où vous leur expliquer l'importance de l'utilisation de ces langues L'importance, il faut, comme elle l'a dit, effectivement, on leur a expliqué. Et nous sommes partis maintenant dans les départements pour rencontrer les mêmes acteurs, leur dire écoutez, l'enceinte qui est à côté, quand vous la voyez en train d'enseigner en langue, c'est que c'est juste, parce que l'État a fait un choix. Et quel est le choix de l'État Le choix de l'État, c'est d'enseigner l'enfant du CI jusqu'au CE1 dans sa langue nationale. Quand vous rentrez dans une classe du CI, CP, CE1, la langue d'enseignement, la langue de communication entre l'enseignant et l'enfant, c'est sa langue maternelle. Selon qu'il soit à Agadez, on va lui faire son tamaché. Et à partir d'un autre niveau S'il est à Ngurti, on va faire son beriberi ou son toubou. S'il est ici à Niamey, on va lui faire selon donc, euh, les quartiers hmm. ou le Hausa et, le, et ce qui est sa langue, ou le germain. Bref, on va l'enseigner dans sa langue. Hmm. Maintenant, plus tard, nous allons voir, peut-être au CE2, on va faire 50-50. 50% de ce qu'on va lui enseigner sera dans sa langue et 50% en français. Parce que déjà, du facto, arrivé au CM, la langue, elle devient matière. C'est-à-dire, elle ne sera plus cette fois-ci langue, de, communication, mais elle sera là. Il y a un programme qui est là en langue nationale, mais la langue de communication cette fois-ci, c'est le, français. Ça va être le français. À partir du, CM, 1 CM1, CM2. CM1, CM2 jusqu'à jusqu'en troisième. Mais il y c c 1 c'est la langue. C'est la langue de communication. Donc, quand tu rentres dans une classe, tu vas trouver l'enfant avec sa maîtresse en train de parler son tamashek ou son fulfuldi. Alors, selon des chiffres du ministère en charge de l'enseignement primaire, à propos des écoles expérimentales, nous sommes passés de 42 écoles euh, au cours des années 1990 à 559 à partir de 2009-2010 aujourd'hui il y a 9 ans. Est-ce que vous avez la situation actuelle en termes de chiffres La première école, effectivement, nous étions partis à 42 écoles en créant une école expérimentale. C'est ce qu'on appelait les écoles expérimentales où on enseigne donc la langue dans l'enfant plus le français. On était parti à 42. Il y avait un certain nombre de projets qui accompagnaient l'État dans cette politique. Mm. En 98, il y a eu le DPEB projet de l'enseignement bilingue. Après le retrait de Depep, il y avait maintenant ce qu'on appelle le projet Souteva, donc soutien à l'éducation de base, qui a encore effectivement continué la philosophie de Depep. Donc, toujours accompagner l'État dans, la mise en œuvre des enseignements bilingues dans un, certain nombre de régions d'Osso mm. et Tawa. Les deux projets, ça a atteint 125 écoles. Mm. En 2000, l'État a fait encore un pas. Le pas, c'est quoi On a voté une loi, la loi 2000. 037 qui instaure l'application officielle cette fois-ci de l'enseignement bilingue. Et là, l'État a pris un arrêté, l'arrêté euh, si j'ai bonne mémoire, mhm. qui crée au niveau de chaque région 50 écoles bilingues, ce qui a amené les 400, euh, qui a amené les 400, les 400 mhm. et les 400 plus les 125 qui existaient, c'est ce que vous avez comme nombre les 500 et quelques. Et quand nous étions venus, nous, à la réforme, entre-temps, il y avait la réforme qui faisait son petit de chemin, Parce que nous avons fait un choix d'enseigner en langue nationale. Il nous faut des programmes en langue nationale. Donc, entre-temps, de l'autre côté, les techniciens étaient effectivement en train de rédiger des programmes en langue nationale. Mm. Et lorsque ces programmes-là, nous les avons euh, finis, nous les avons testés. Et pour l'expérimentation, nous avons choisi un échantillon de 500 écoles à travers tous les pays. 500 mm. écoles dans les cinq langues nationales outillés, c'est-à-dire qui, qui sont codifiés, qui ont mm. un alphabet. Mm. Les langues qui ont un alphabet au Niger, pour le moment, quand nous avons commencé, il y a mm. le Fulfulde, il y a le Kanuri, il y a le Hausa, il y a le Tamashek et le Germa Songay. Voilà les cinq langues qui avaient un code. Mais comme nous avons dit qu'au Niger, nous avons dix langues nationales et que toutes les langues se valent, ah, de facto, il faut que nous nous donnons, il faut que l'État se donne les moyens d'outiller aussi les autres langues. Donc aujourd'hui, officiellement, à travers ce pays, nous sommes dans 5000 écoles où on enseigne langue, dans les cinq langues nationales que je viens de vous mm. rappeler. Entre-temps, le préscolaire n'est pas à reste. Nous sommes aussi dans le préscolaire parce que le préscolaire, euh, l'enfant qui fait deux ans au préscolaire, il va l'année, dans, dans, sa troisième année, arrivée au ah, CI. au CI. Donc, il faut que déjà dès le préscolaire, on, on, le prépare. Donc, nous avons pris 80 écoles du préscolaire où nous testons encore l'enseignement, l'enseignement bilingue. Et pour finir, pour mm. vous donner la parole, la parole, nous sommes allés dans les écoles normales parce que nous avons dit, il faut aussi L'enseignant qui va sortir demain de l'école normale, il faut qu'il soit outillé pour, qu'il puisse faire classe dans une école bilingue. Donc nous sommes dans trois écoles normales qui sont Dosso, Tawa et Difa. Euh, je donne la parole à Madame Kimba Juma, euh, membre de l'APE, l'Association des parents d'élèves et d'étudiants. Aujourd'hui, quand vous analysez la situation euh, concernant l'expérimentation justement des langues nationales dans l'éducation au, cycle primaire, quelle est votre impression Est-ce que vous avez l'impression que cette réforme qui fait intervenir les langues nationales est en nette progression ou en régression Quelle est votre impression Avant de continuer, même, je vais un peu faire retour en arrière à ce que mon collègue a dit. Oui, allez-y. Suite aux forats, aux assemblées générales qu'ils ont organisées à l'intérieur du pays. Bon, moi, le cas même que je vous ai donné, c'est au niveau même de Niamey. Vous voyez, même si il y aura des forats ou âgés là, ça devrait commencer à Niamey même qui est la région phare. La capitale. Voilà. Maintenant, je vais revenir à ce que vous avez demandé suite à la stratégie appliquée. Oui, régression ou progression. Voilà. Dans toute réforme, s'il n'y a pas d'évaluation, on aboutit à un échec. Ça, soyez clair. Et pour cette, stratégie, pour cette pour stratégie, cette stratégie si ils vous... ont évalué tout, tout ça. Il fallait aussi approcher ces parents-là, leur donner l'information. Vous voyez, nous expliquer. Voilà, de temps à temps, on est arrivé à temps. Vous voyez, et ça motive. Mais quand ils vont faire l'évaluation, il n'y a pas de suite. On n'est pas informé de, de l'évaluation. Qu'est-ce qu'elle a donné comme fruit Comme résultat. Voilà. Mais vous avez aussi le devoir de chercher à savoir, non de, euh, cette stratégie qu'on enseigne à vos, à vos, enfants, comment ça, comment ça se déroule, comment ça évolue Oui, mais si on ne t'associe pas, tu n'as même pas le courage d'aller. Ils organisent des ateliers, des, réunions, des, réunions suite aux évaluations qu'ils ont faites, non hmm devrait nous appeler. Quand vous dites à vous, est-ce que vous faites référence à l'association, à l'organisation des parents d'élèves ou aux parents d'élèves vraiment de façon individuelle Tout à l'heure, il a dit, ils ont fait ça à Tawa, ils ont invité les parents d'élèves. Ils ont invité les parents d'élèves de la région. Mais si ici, la base même, n'est pas informé. maintenant, comme ils ont dit là, si cette réforme-là s'est tombée seulement dans une, c'est sorti d'une région comme ça, ça a, ça a suivi des étapes, non? Du haut jusqu'en bas. Tous. Nous aussi, c'est ça que nous soutenons. En dehors de ça, est-ce que vous pensez que l'impression que vous avez, est-ce que ça progresse? Tout à l'heure, je vous ai dit que l'enfant apprend vite dans sa langue. C'est plus facile d'apprendre dans sa langue. Mm. Certes, cette réforme-là, elle a des atouts puisque nous avons vu de nos enfants qui viennent à Votre grève greffe, c'est vraiment de ne pas être associé. C'est vraiment. Vraiment, il faut nous informer de, l'information. <laughs> Et encore, il y a une grande chose mhm. pour leurs enseignants dans LD. À notre connaissance, les enseignants l'a formé pour le bilingue là. On a choisi des enseignants qui résident dans la, euh, la localité, qu'on ne va pas les déplacer. Voilà ce qui perturbe leur réforme. Vous allez apprendre des enseignants, vous allez leur donner la formation là. Et après, on les affecte dans une autre région, c'est ça Mais il y a des inspections qui n'affectent pas. Mais il y a des inspections, nous avons vu, la maîtresse, carrément, elle demande une affectation, elle l'affecte. Et maintenant, les enfants sont là. On va leur attribuer une autre maîtresse qui n'a pas de formation. Bien on va lui poser cette question avant d'aborder d'autres d'autres parties. Est-ce que euh, Monsieur Garbananti, vous avez dit effectivement que, euh, pour accompagner cette expérimentation, euh, des formations sont en train d'être aussi organisées au niveau des écoles normales. des, instituteurs. Trois régions, vous avez cité Dosso, Tawa et Difa. Est-ce que la vocation de ces enseignants qui sont en train d'être formés pour effectivement pouvoir enseigner par les langues vocation, leur vocation, c'est de rester dans ces régions, enseigner euh, ces langues où ils seront appelés un jour à aller à Tilaberi ou à Zander ou c'est d'autres langues. Merci beaucoup, euh, Monsieur Alassane. Euh, disons de facto qu'aujourd'hui, dans le cadre de la réforme, nous avons formé quelque chose de près de 17 000 enseignants. Hum. C'est-à-dire, quand vous prenez du CI jusqu'au soin, on a formé à peu près 17 000. Nous avons formé 625 665, autant pour moi, encadreurs, c'est-à-dire encadreurs terrain, inspecteurs et conseillers pédagogiques, mm. y compris ceux du préscolaire, donc ça fait, ça fait partie. Nous avons formé tous les encadreurs des écoles normales, c'est-à-dire tous les enseignants qui sont dans les 11 écoles normales ont été formés dans le cadre de cette, de cette réforme. À moins que l'encadreur ait été peut-être orienté et affecté avant euh, cette année, c'est-à-dire les trois derniers mois. Mm. Mais sinon, jusqu'en 2018, il n'y a pas un seul encadreur de l'économie qu'on n'a pas, fermé. Et en gros, pour, qu'est-ce que cela veut dire C'est pour, dire que mm. l'enseignant, c'est un tout. L'encadreur, c'est un tout. Ce n'est pas parce que vous êtes encadreur aujourd'hui à Tira que demain, vous ne pouvez pas être encadreur à Tirozérine. Mm. Donc, c'est là qu'il faut que vous soyez outillé au, même niveau. Pour être tout terrain. Pour être, merci, de tout terrain. Et c'est la même philosophie pour les, pour les enseignants. Mm. D'abord, le choix des enseignants est Lorsque nous allons, lorsque nous avons, euh, nous allons euh, débuter ça, nous avons dit, bon, écoutez, le choix est donné à, l'enseignant. Comme c'est qu'elle a rappelé tout à l'heure, lorsque nous avons mis en expérimentation la double vacation, on a demandé aux enseignants qui veut. Celui qui veut, c'est avec lui qu'on va partir. Donc, même cette fois-ci, avant de s'engager, nous avons dit non. écoutez, quels sont les enseignants aujourd'hui qui peuvent faire carrière dans le cadre de l'enseignement bilingue. On va commencer avec eux. Mm. La première des choses, d'abord, il faut que vous soyez locuteur de la langue. Mm. Si vous êtes quelqu'un d'Agadez et que l'école là où vous êtes, ou la commune là où vous êtes, c'est le tamashek qu'on fait, est-ce que vous parlez tamashek ça, c'est le premier aspect. Mm. Quand on s'en fout, on va vous outiller pour pouvoir lire et écrire votre tamashek. La même chose pour les autres langues. Bien. Allez-y. Nous allons avancer. OK. Nous allons avancer sur d'autres parties. Mm-hmm. Et nous passons donc à la deuxième partie de cette émission relativement aux obstacles. Je vous propose euh, tout d'abord de suivre notre entretien avec un acteur de la société civile burkinabé que nous avons rencontré à l'occasion des activités parallèles du sommet de l'Union africaine de juillet dernier à Niamey. Il s'agit de Kombari Isaka Hervé, membre du réseau ouest-africain des enseignants pour l'intégration et la paix dans l'espace CDAO. Nous nous sommes entretenus sur l'importance et les obstacles à l'utilisation des langues nationales dans l'enseignement. Nos langues nationales sont un vecteur important si nous voulons avoir des systèmes éducatifs performants dans nos différents États. Alors, la connaissance en elle-même ne constitue très souvent pas le problème, mais c'est la langue de communication qui fait barrière. Si je prends par exemple le cas d'un élève du primaire, on veut l'amener à calculer, à savoir, à maîtriser les chiffres. Quand vous le prenez dans sa langue nationale, il sait déjà compter de 1 à je ne sais pas, beaucoup de milliers. Or, quand vous allez dans le français fondamental que nous étudions dans nos écoles, on sectionne, on s'arrête à 20. Moi, j'ai envie de dire même qu'on abrutit les enfants un enfant qui sait déjà compter dans sa langue jusqu'à 1000, pourquoi ne pas exploiter ça directement plutôt que de le ramener en séquence à dire, bon, il va compter à 20 pour la première année, à 100 pour la deuxième année. Or, à la première année, il aurait pu finir de compter tout et puis maintenant peut-être rentrer et commencer à chercher comment on fait les techniques opératoires, quels sont les raccourcis de calcul qui peuvent exister. Donc les langues nationales, quand on regarde seulement cet aspect-là, ça montre à combien il est important de les exploiter et d'avancer rapidement. Quels sont les principaux obstacles aujourd'hui pour l'utilisation des langues nationales dans l'éducation Nous avons plusieurs langues. Pour certains endroits, c'est des problèmes de quelle est la langue qu'il faut exploiter pour l'enseignement. Mais pourquoi chercher à valoriser une seule langue Essayons ensemble et quand les populations auront compris le bien fondé de la langue dans l'enseignement, ils comprendront qu'en fait, il s'agit de prendre la langue qui est la plus parlée et non la langue qui m'appartient ou qui appartient à autrui parce que l'essentiel est d'utiliser ça comme une porte d'entrée vers les savoirs. Est-ce qu'il y a d'autres réticences, par exemple des enseignants ou Le fait de comprendre l'importance de la langue nationale n'est pas encore perçu à tous les niveaux. Quand je prends les communautés, quand on dit on envoie un enfant à l'école, c'était pour qu'il parle français. Si c'est pour qu'il aille apprendre sa langue nationale, autant le laisser au village puisqu'il parle déjà sa langue. Mais quand on va faire comprendre à ses parents d'élèves ou à ses élèves ou à ses enseignants qu'en fait on ne leur apprend pas leur langue, on utilise leur langue pour leur donner accès à un savoir universel. Parce que les Chinois, ils vont à l'école, ils parlent chinois, ils parlent pas français. Mais nous, comme on dit, on a été ancré dans un système qui fait que dès qu'on dit école, école égale une autre langue. Mais non, l'école devrait être l'endroit où on découvre des savoirs. Et comme on découvre les savoirs, on utilise un vecteur et ce vecteur c'est une langue nationale. Voilà, vous venez d'écouter Kombari Issa Hervé, membre du réseau ouest-africain des enseignants pour l'intégration et la paix dans l'espace CDAO. Entretien réalisé, donc, je le disais, à l'occasion du sommet de l'UA à Niamey. Euh, donc, je demande euh, à Madame euh, Kimba Djuma, quel commentaire vous inspire les propos de, de cet acteur de la société civile Merci. Moi, à mon avis, tout ce qu'il vient de dire là, c'est positif. Et c'est ce que j'ai déjà, même moi aussi, avancé. voyez Et surtout, par rapport au greffe de certains parents un point mhm. là où il dit ne pas valoriser une seule langue. Mhm. parce Parce qu'on était euh, euh, bloqué par un, un de ces cas comme ça dans une école. Mhm. Un gars de l'Est, là, quand que son enfant est parti lui dire Hein, il, lui lui parlait en germain. Il lui parlait en germain. Il a dit, c'est ça, c'est ça qu'on t'a appris à l'école. Il est venu dire que hein, lui, il n'a pas envoyé son enfant pour qu'on lui apprenne le germain là. Vous voyez, tout ça là. Parce que lui, c'est lui qu'on vient d'écouter. Lui, il dit que euh, l'idée, c'est de, de voir la langue qui est, qui est parlée euh, majoritaire mmh, mmh, mmh, euh, dans la localité et utiliser ces langues plutôt que de voir que c'est une lutte de d'hégémonie, de, une lutte de langue. Voilà. Là, il a parfaitement raison. Et encore, il a parlé surtout sur la sensibilisation des parents. Il fallait, pour appliquer une réforme là, il faut attirer d'abord l'attention du partenaire, des parents leur dire. C'est pas la langue nationale qu'on leur apprend, mais on utilise cette langue pour leur donner du savoir. le pourquoi qu'on va leur apprendre dans cette langue. Mm. Tous les parents, c'est ça qu'ils me connaissent. Mm. Ça, je l'ai dis haut et fort. Alors, quels sont aujourd'hui, vous, à votre avis, est-ce que cet aspect est, fait partie des obstacles à, l'évolution de, cette expérimentation, notamment euh, pouvoir faire le choix entre la langue nationale à utiliser dans l'enseignement. Dans certaines écoles, cela crée des conflits. Oui, oui, ça crée des conflits. Parce que si le parent n'a pas été sensibilisé et son enfant donne l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, il va comprendre ça autrement. c'est comme si on veut imposer à son enfant une autre langue qui n'est pas euh, sa langue. Voilà hmm. l'obstacle. Hmm. Mais si le parent, là, d'avance, il a été informé, bien édifié sur l'utilisation de la langue, là, il n'allait pas réagir. Hmm. Même s'il entend son enfant parler la langue, là, ou bien lire dans la langue, là, ça ne va pas lui bouleverser. Oui. Bien. Ça, là, tout ça, là, il faut la sensibilisation. Pour, si on veut aboutir à un, euh, une réussite, quoi, de la réforme il faut sensibiliser les parents là. Bien. Euh, voilà, nous donnons la parole à Garban Hanchi. Euh, vous avez écouté euh, euh ces Burkinabés, Kombari, Isaka. Qu'est-ce qui a retenu particulièrement votre attention dans son intervention Merci beaucoup, M. Alassane. Dans tous les cas, le Burkina et le Niger, ce sont les mêmes réalités. Mm. Et nous étions en forum sous-régional tout récemment ici à Niamey avec eux. On partage les mêmes réalités. Ce qu'il dit, effectivement, l'un des casse-têtes de nos États africains, il faut le dire, c'est le choix d'une langue unitaire. Nous, au Niger, 2, merci, on n'a que 10. Ailleurs, il y a 200. Quand vous prenez le Cameroun, le Nigeria, c'est plus de 200 langues parlées et dialectes. Et comment, au niveau de, comment vous gérez au niveau des comme comment vous gérez comme il l'a dit, comme il l'a dit effectivement, le choix d'une langue unitaire, c'est ça l'idéal. Hmm. Aujourd'hui, quand vous partez en Afrique du Sud, vous prenez de Kigali, c'est-à-dire du Rwanda, jusqu'en Afrique, jusqu'au Cap, c'est-à-dire en Afrique du Sud, vous n'avez pas, vous n'avez pas de barrières linguistiques Tout le monde parle le Xhosa. Vous voyez, donc ils ont fait cette, ils ont transcendé cet état d'esprit. Même si vous n'êtes pas euh, un Zoulou, quand même, aujourd'hui, il y a des, des Africaners qui parlent le Xhosa. Et puisque chez nous c'est difficile, comment vous êtes, vous gérez que, Effectivement, nous au Niger, la difficulté c'était depuis la conférence nationale. À la conférence, on a posé le débat. Nous avons dit langue nationale et que nous voulons enseigner nos enfants dans nos langues nationales sur les 10 là. Entendons-nous sur une langue. Quel est le choix aujourd'hui le, choix que le Niger a a, opté, c'est d'enseigner dans nos dix langues nationales. Selon les localités. Selon les localités. Quand vous êtes à Ingal, Ingal, le Tassawak, et <laughs> le, le, qui cela, là. Cela veut dire qu'il faut hmm. avoir des ressortissants de ces régions comme enseignants. On va, on va revenir peut-être parce que c'est un des casse-têtes, comme elle a dit. Oui. Maintenant, le problème, nous avons, sur les 10 là, ce qu'il faut retenir, il y a deux langues qui ne sont pas outillées pour le moment. Hmm. C'est-à-dire c'est le Tassawk et l'arabe. Hmm. L'arabe que nous parlons, que vous entendez, que vous voyez, qu'on est en train d'enseigner dans nos écoles, c'est un langue importé, c'est un langue qui nous vient du Maghreb, du, je sais pas, du Moyen-Orient, etc., etc., les franco-arabes. Mais nous sommes en train de voir comment maintenant codifier notre arabe nigérien, mm. l'arabe là qui est parlé à Tesker, qui est parlé à Tilia, à Tassara, ainsi de suite. Alors, Madame avait évoqué mm. tout à l'heure euh, un cas, un exemple, euh, notamment euh, quelqu'un dont son enfant est enseigné dans une autre langue que la langue maternelle de l'enfant. Parce qu'il arrive que dans une classe, qu'on n'ait pas que des, enfants Zarma, qu'on n'ait pas que des enfants Hausa, qu'on n'ait pas que des enfants Tamachek. Donc, euh, du coup, quand on enseigne dans une langue, comment euh, il y a des difficultés. Il y a des difficultés, c'est vrai. Et, là, nous, au Niger, nous avons mené tout récemment une étude sociolinguistique. Hum. Cette étude sociolinguistique, plaise à Dieu, nous allons voir comment partager les résultats issus de cette euh, étude sociolinguistique qui établit, c'est-à-dire qui nous dresse une carte synoptique au niveau de toutes les localités, au niveau de toutes les communes. Vous prenez une commune, à tout hasard, je prends la commune Indéniamé. À la commune Indéniamé, quelles sont les langues majoritairement en présence Peut-être il y en a trois. Peut-être toutes les langues sont parlées au niveau de la commune 3. Il y a des habitants, il y a un potentiel d'habitants qui parlent toutes ces langues là Cela veut dire que rien n'empêche à l'État de créer des écoles dans ces langues là Est-ce que vous voyez La même chose un peu partout. Donc l'idée de cette étude, c'est de, euh, donner une vision, à l'État. De pour... Donc, quelles sont les langues qui sont en présence des autres locales pour que les enfants ne soient pas marginalisés hmm. Si ça nous permet de créer une école, on crée. Si ça nous permet, le nombre, ça nous permet de créer une classe, au sein d'une même école, c'est-à-dire on peut créer une. Je prends à tout hasard, je prends par exemple DIFA. Hmm. À DIFA, peut-être l'étude sociale linguistique a déterminé qu'il y a un potentiel de gourmandiers qui vivent à DIFA. Et que le nombre des enfants gourmandiers, ça nous permet d'avoir une école ou une classe. Hmm. On va créer une école ou une classe. Et un peu partout la même chose hmm. pour qu'on donne à chaque enfant la chance, effectivement, de maîtriser, comme le Burkina Burkinabé l'a dit, les compétences de base. Mais une des difficultés, quand même, il faut le dire, c'est le choix des langues. Bien. Petite difficulté, il faut le dire, elle l'a dit, nous sommes réticents au changement. Ce au Niger. Pas, au Niger seulement. De nature, l'homme. C'est la nature de l'homme. De nature, l'homme c'est très difficile qu'on accepte d'un coup un changement. On est réfractaire. Mm. Mais c'est avec le temps, comme elle a dit, avec la sensibilisation du jour au lendemain qu'on va amener les gens à comprendre que L'objet, c'est pas de la blague. C'est pas parce qu'on enseigne ton enfant dans sa langue que tu penses que non non il va, pas, il, va, pas arriver. D'abord c'est ça même l'aliénation. C'est ça l'aliénation. L'aliénation c'est que on t'enseigne ou bien tu parles une langue qui n'est pas la tienne. Hmm. n'est pas quand tu parles chez nous. Quand je dis chez nous, nous les fonctionnaires, <laughs> eh, tu vas voir quelqu'un en train de parler son enfant le français. il pense que c'est un passeport de la vie. C'est une aliénation. Comment toi, tu es un tamachophone, un germaphone, tu parles à ton enfant le français Parle-lui son germain. Il a des choses qu'il n'a pas encore intégrées dans sa propre langue. Peut-être c'est l'évolution entre tu lui parles le français ou l'anglais, je ne sais pas quelle autre langue. oui, madame, madame, oui, le même sujet de la langue que vous avez dit dans la classe. Oui. C'est nous, nous sommes confrontés actuellement à, ce problème. Toujours on, intervient. Hein. Les sapeurs-pompiers. Voilà. Vous intervenez pour, éteindre le feu. Il y avait un enfant même assis. <laughs> Ah, on a convoqué son père et on a dit que lui, il est là timide, il, ne, participe pas, quoi. Et, c'est comme le français. Il a dit, lui, l'enfant ne comprend pas ce qu'on lui est en train d'enseigner. La langue, la, langue nationale qui est utilisée n'est pas sa langue. Voilà. lui, c'est un Hausa. Vous voyez Il ne comprend rien du germain. Il est, obligé de, devenir timide. Mm. Donc, vous voyez, mm. c'est ça le grand problème dans les écoles. Et parce qu'on peut avoir un élève ou deux élèves qui ne comprennent pas la langue utilisée, ah, qui subissent la, loi de la majorité. C'est ça. Mm. Dans toutes les écoles, là, dedans ils disent qu'ils sont en train d'expérimenter, là, c'est comme ça. Il y a ce problème-là. D'autres partent seulement pour revenir. Mais on, dit enseignement bilingue. Normalement, euh, on n'utilise pas uniquement que la langue nationale. Le français est aussi utilisé ah. au, moins à, mi-temps. Je ne sais pas, il y a des cas peut-être euh, qui peuvent surgir, mm. mais Ici, à Niamey, nous sommes dans 65 écoles. 165, autant pour moi. 165 mm. écoles. Mm. Et nous faisons le Jarma, le Hausa, le Fulfulde. Mm. Voilà les langues qui sont en présence ici. J'arrive, madame. C'est-à-dire que, en principe, en principe, je dis bien, quand vous partez dans une des classes, il ne doit pas y avoir ce cas. Un enfant, s'il n'est pas germaphone, s'il est germaphone, il ne doit pas effectivement être dans une école. Ah. à moins s'il comprend le Hausa. Est-ce que vous voyez C'est-à-dire, si l'enfant parle la langue, même s'il n'est pas locuteur, même si chez lui, il n'est pas C'est pas sa langue maternelle. pas sa langue maternelle. Mais s'il comprend le Hausa, il n'y a pas de problème. Il peut être dans une langue, dans une, classe Hausa, ou vice versa. S'il est Hausaphone, il comprend le germain et que chez lui, ce sont des Hausaphones purs et, purs et durs, il n'y a pas de problème qu'il soit dans une classe où on enseigne le germain parce qu'il comprend la langue. Mais moi, là où vous ne me, comprenez pas, par exemple, quand vous prenez un quartier, une école, il y a tout genre d'élèves, non hmm, qui, de, Plusieurs langues. Hein? Ces enfants-là, comment les gérer avec un maître qui enseigne le, le germain seulement hein? Ou le Hausa seulement. Je n'ai pas dit qu'il ne comprend pas. Vous pouvez avoir des enfants qui ne comprennent même pas. Mais ce n'est pas qu'ils ne parlent pas, donc vous dites. Je n'ai pas dit qu'ils parlent, mais qu'ils ne comprennent même pas. Hein? Ils ne savent même pas ce que c'est que Kanibani il est là avec les enfants. c'est comme le français qu'on lui a enseigné. Hmm. Moi, je trouve ça comme ça. Là où vous allez dire à l'enfant, Afo et qui ne comprend même pas. C'est la même chose que là vous, où vous allez dire, Bouddha, Bio, trois. Ah, ni je, je retourne au français là même. On veut associer le, la langue nationale avec le français. Oui, dit, non oui. C'est ça, j'ai dit. Mais ça, ça va devenir la même chose. Hein? Alors, eh, maintenant, nous sommes, nous sommes dans les. Ce n'est même pas, ah je, je, pense bien que ce n'est pas, ce n'est même pas bien. L'objectif n'est pas de. si, on parle la langue, il n'y a pas de problème. On peut être dans une même classe, dans une même cour. Si on parle, si on parle. Euh, si on ne parle pas, mais on va, comme je te l'ai dit, l'étude là, elle va nous déterminer. Donc, selon les quartiers, selon les villes, selon les communes quelles sont les écoles réellement, c'est-à-dire quelles sont les règles réellement. Est-ce que, est-ce que, la question que j'ai envie de poser à ce niveau, pour qu'on passe aux, pistes de solution, c'est est-ce qu'il y a des voies de recours Est-ce que des cas dont madame, des cas euh, de ce genre que madame avait soulevé, mhm. si ce genre de cas survenait, est-ce qu'il y a des voies Ou est-ce que la personne peut se plaindre pour que. Euh, la seule voie de mhm. recours, si vous, comme elle a dit, vous venez juste, vous êtes un fonctionnaire, on vous a affecté de DIFA à Niamey et que là-bas, peut-être votre enfant, euh, c'était, il est dans une école kanouri parce que vous êtes un kanouriphone. Mm-hmm. Mm. Mais il se trouve que votre enfant parle le Hausa. Mais à Niamey, nous n'avons pas des écoles kanouri. C'est là que ici, pour vous, ce qui intéresse l'enfant là, il va continuer sa scolarité dans une école Hausa pour le moment. Parce que à Niamey, nous n'avons pas des écoles kanouriphones. Où est-ce que la personne euh, doit eh, l'inspection mais l'inspection est là pour gérer ça voilà <laughs> les inspecteurs sont là c'est là la question avec ça vous allez vous voyez que peut l'enfant peut évoluer hmm. je pose la question mais j'ai commencé à apprendre le kanouri là-bas je viens ici on me met avec ceux qui, qui apprennent le germain seulement c'est qu'on ne doit pas perdre de vue aussi qu'il y a des écoles où on ne fait pas où l'expérimentation n'a pas commencé où on, fait que le français peut-être Peut-être que dans ah, ce genre de situation, on amène la personne dans les autres écoles où c'est le français à 100%. Ah, il n'a pas répondu à ma question des enseignants là. Oui. Lesquels Il y a des enseignants qu'ils ont formés qu'on affecte par sentiment. Eh, madame, euh, pour tu sais que eh. la personne là, on t'a demandé, il a dit on te demande mhm. si tu veux. Mhm. Tu as dit que tu veux. Mhm. Hein? Tu comprends la langue, tu as dit tu comprends, tu parles bien la langue. On t'a formé. Hein? Et après un an, deux ans, tu déposes une affectation, tu veux changer d'école. Est-ce que c'est normal Bien. Euh, nous, allons nous allons finir. Euh, permets-moi de lui répondre à cette question parce rapidement, Il tient, beaucoup. Nous avons écrit aux différents directeurs régionaux. Tout enseignant, tout enseignant qui est impliqué dans la réforme, il ne doit pas être affecté au moins pour les trois années. Il va faire CICP, ce mm. On a écrit officiellement. Mais Sauf cas de force majeure. Cas de force majeure, c'est quoi Lorsque vous êtes admis à un concours professionnel, <laughs> on ne peut pas vous dire que vous allez rester. C'est la carrière. Bien. Donc là, vous, vous, êtes, vous êtes une femme mariée, on, vous a, on a affecté votre mari, ça, ce sont des cas de force majeure, vous suivez votre mari. Et au, cas où maintenant l'inspecteur dit que par nécessité de service, il vous affecte, il doit vous amener dans une école bilingue. Vous avez quitté une école Hausa, il faut que vous soyez dans une école Hausa. Vous avez quitté une école Tamashek, il faut qu'on vous affecte dans une école Tamashek. Mais c'est qu'elle dit, c'est l'idéal. Mais c'est qu'elle dit, effectivement, je ne dis pas que ce n'est pas vrai. Nous avons, nous menons des missions de suivi. Nous voyons des enseignants qu'on a formés qui devraient être dans des écoles bilingues là, où on fait la langue nationale et le français, mais qui sont dans des écoles traditionnelles, ou bien qui sont même carrément dans des écoles franco-arabes. S'il vous plaît, nous finissons par les perspectives. Aujourd'hui, Madame euh, Kimba Juma, euh, de l'Association des parents d'élèves et d'étudiants, comment pensez-vous qu'on peut capitaliser et améliorer davantage l'efficacité de l'enseignement par les langues nationales ah, Je ne peux pas euh, dépasser mon mot là. La sensibilisation. La sensibilisation. Tout ce que tu ne comprends pas, par A plus B, tu ne vas pas l'accepter. Ça, il faut savoir celui-là. Hmm. Et encore, il y a une deuxième chose. Nous, nos parents, on nous sollicite. Vous vous amenez des réformes, amenez des documents conformes à cette réforme pour que les enseignants là puissent enseigner à nos enfants aussi. On nous fait appel, à on va. Moi, on a l'habitude de m'envoyer des livres pour photocopier à une maîtresse. Les enfants sont assis. voilà il n'y a, pas, euh, a pas de livres. Bilingue, hein. je te parle de Niamey. Et ah, il faut évaluer aussi. Il faut évaluer la réforme. Nous, nous voulions ça évaluer et vous associer. Voilà. Nous dire, voilà ce que ça a donné comme fruit et nous serons contents. Voilà, et nous donnons la parole à Garba Nahanti pour finir. Quelles sont les euh, perspectives, que vous envisagez à court, moyen et long terme Comme Madame l'a dit, ça, son mot-là, est chétif, il est central. Nous-mêmes, nous savons que il nous reste beaucoup à faire. Il faut en termes de sensibilisation, mm. la sensibilisation, gens jusqu'à présent, nous n'avons pas tous compris. Mm et le hic, vous ne le savez même pas. Hmm. C'est à notre sein. Quand je dis à notre sein, c'est nous, entre griffes, les intellectuels. Le problème de la réforme, le problème de l'enseignement de langues nationales, d'une manière générale, c'est au sein de la, cette, cette élite-là. C'est-à-dire ceux-là qui se disent un peu aujourd'hui euh, intellectuels. À court terme, quel est le problème auquel vous comptez vous attaquer à, court terme, effectivement, dans l'immédiat, comme elle a dit d'abord, il faut vulgariser toutes les études, toutes les évaluations conduites. Parce que de 2000, de 2014, à aujourd'hui, jusqu'en 2017, nous avons évalué les différentes langues nationales, l'enseignement des langues nationales. Mais rares, rares sont des Nigériens qui savent que ces études-là existent. Ces résultats-là, où est-ce qu'ils sont Donc, il faut songer dans l'immédiat, voir comment vulgariser, comment comme elle a dit, approcher les parents, approcher tous les acteurs impliqués pour le développement. Voilà les tenants et les aboutissants aujourd'hui de l'enseignement bilingue. Deuxièmement, je dis il faut une forte implication, une mobilisation sociale. Il faut que nous croyons, il faut que nous, nous donnions foi à l'enseignement bilingue. Il faut qu'on se dise qu'on ah, peut aller de la même manière qu'ailleurs on a réussi on peut réussir ici. Et c'est fini, nous sommes au terme du forum d'aujourd'hui sur l'utilisation des langues nationales de l'enseignement primaire au Niger à tout obstacle et perspectives. Nous avons vu avec nos invités toute l'importance de l'enseignement par les langues nationales au niveau du cycle de base 1, en ce sens que c'est un enseignement qui favorise et facilite l'apprentissage à l'enfant. Les difficultés qui entourent cette réforme sont entre autres l'insuffisance de la sensibilisation des parents d'élèves, dont la plupart ne comprend pas l'intérêt des langues nationales à l'école. Il y a aussi le choix de la langue à utiliser dans telle ou telle classe qui pose problème. En cela qu'on peut trouver dans une classe une ou deux personnes qui ne comprennent pas la langue nationale utilisée par l'enseignant. Le représentant du ministère de l'enseignement primaire ici présent nous a rassuré qu'ils sont conscients de cela et qu'ils y travaillent pour trouver le juste milieu. Nous étions en compagnie de Garba chef de division curricula à la direction des curricula et de la promotion des langues nationales et Madame Kimba Juma, membre de l'association des parents d'élèves et d'étudiants. Euh, je suis à Alassane Kouzi Mamadou pour la présentation et à la technique à Hussein Isaka.